moi je considère que les franchises universitaires vont être renforcées, les conditions, les cas dans lesquels l'armée ou la police aura le droit d'entrer dans les universités seront limitativement énumérés, mais surtout bien former nos forces de l'ordre pour que nous sachions dans quelles conditions il faut engager et quelles sont les limites de l'engagement. Nous opérer une discrimination positive pour que nous ayons des quotas de recrutement dans tous les secteurs publics et privés yo xamné dañ koy réserver ñooñu nga xam ni les conditions accord de pêche yi nga on va dénoncer ces accords de pêche té lu allons bi ba distance bo 12 miles Nous allons nangu une gal bu ci pirogues traditionnelles sénégalaises